motax ñu dajalé xalé yépp ak jigen ñépp pour waxtaan yan action lañuy teural ci biir koor gi pour que waajal terrain bi ba nga xamné suñu kilifa yi buñu ñëwé day fekk ñun noyal nañu lépp ndax ñun dañu gis né dañu am opposition bo xamné amuñu programme opposition xasté ak saga ak wili Bandé rek lañ nekké président Macky Sall nak ñu gis né bilan bi mu am ak comportement bi mu am ak yene bi mu am ak sénégalais ñu gis ñun ndaw yi kenn waruñu jiitu pour wax kook sénégalais yi wan leen ko ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi ñu nasaxal seen i pexe ba wan sénégalais yi ne leen président Macky Sall liggéeykat la ndax ñun dañ ci am lu ñu leer ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ndaw yi nga xam ne si ne ak population bi nga xam ne ñoo féete côté Touba yi ak région Diourbel ak département bu Mbacké ndax autoroute Ila Touba kenn du ko werante assainissement bi li fi président def kenn du ko werante màggal Touba gi moo ko yéwénal ba nga xam ne ku ñëwut sax boo tëddee boo dañ lay fay soo ñëwee nga am ba ñu fay la te doo te doo ci am benn problème. jour boobu mu def ko sommet et paye li mu defal Seexul Xadim defal ko Serigne Touba ñun waa bu Mbacké kenn waru ñoo jiitu ci fay ko moo waral ñuy waajal élection yi ñun ndaw département bu Mbacké am si ndimbalal son excellence Pate Diakhaté moom mi nga xam ne bi mu dellu si suñu yaakaar dafa gën a yokk. ndax bi mu dellu si li mu njëkk a def mooy rataxal diggante kilifa diina yi ak président de la république kenn ku ne gis ne diggante kilifa diina yi ak président de la république ni mu ko gën a rataxale ndax ratax woon na mais da ko gën a rataxal indi fi ay jumtukaayu tool ndax kenn ku ne xam ne ne kilifa diine bay rek mooy mooy yitteem ak jàngale ak dem jàkka ja mu indi ay jumtukaayu tool ay tracteur indi na ko fi séddale ko kilifa diine loolu lu ñëpp teg seen bët la woo ndaw ñi kenn ku nekk mu woola ne la nga ñew mu ne la kay delu ci sa base ma jàppale la nga liggéey pour président mëna am ndam si département bi lolu son excellence Pate jaxati def ko ba nopi tamit ubbi buntu kërëm di recevoir nit ñi di wax ak ñom lepp lu fi président ñàkkoon mu taxaw pour mu am ko ñi méron tamit mu jëli leen andi leen tay ji APR gep ngi ni dajalo fi ci département bi ci permanence bi fi pour que président de la république jaaré ko ci ginnaw Pate jaxaté pour jox président ndam ndax xam ngeen ne depuis 2012 ba ngeen dañoo am ay jafe-jafe fii si Touba te li ko waraloon lépp nag toog nañ waxtaan nañ ci suñu biir wane nañ ne joxante loxo doon benn mooy tax ñu mën a gagné élection yi moo tax département bi jeune yépp joxante nañ loxo ak jigéen ñi pour jox président ndam ngir élection yii ñu jëm amuñu droit perte ndax li président man si lépp defal nañu ko ku gëm sëñ Touba la liggéeyal na ko projet bi gën a rëy ci Afrique 416 milliards moom la tiré jële ko Thiès mu jëm si Touba nga xam ne léegi Touba. quartier la ci bir Dakar Dakar quartier la ci bir Touba connexion la ñu am li wax connexion mom la ñaari ñaari dëkk yi di am ta xam ne kenn ku ne ñaari ville yu mag yooyu bu ñu amee connexion économie Touba day gën a yokk ndax mën nga xëy dem Dakar jëndi bagage ñëw jaay si ko Touba mën ngaa jëlee bagage Touba yóbbu ko Dakar dem jaay ko bu la neexee nga ñëw añ si waat sa njaboot kon ñu ngi remercier président de la république si vous bobu ak vision bobu mu am ko si Serigne Touba ak département bi waye di remercier aussi son excellence si jappelé gi nga xamné si si bi nga xamné si nañ manque de moyens nañ ci lool ci ku rassembler jeunesse bi ak avez ñi ak kilifa yi mu def ko vraiment loolu mo waralon bi di wax président dal opposition opposition bi opposition bu la ñom mënu ñoo genn dox wané dara loolu dañuy tok fiñu tok rek xam nga gaana gu tejju mom danaan di wax ay wax yu yu kenn xamul amuñu benn programme te ñu leen ñu tek seen tank fi ci département bi ndax ñom seen jëmmi bop opposition bi ñu leen ñu tek seen tank si département bi nan dañuy campagne loolu dañ koy téla wax parce que amuñu programme te dañoo bëgg yaq te fi dëkkub sëñ la ko yaq du fi dugg. koor gi li ñu mébét mooy def nañ ko ci programme jox nañ ko suñu coordinateur euh, euh, Baylat Faye Euh, gis na ko waxtaan nañu dañu bëgg a jël ay ndimbal yoo xam ne si ne yu bari la suukaru koor joxe ko ci président de la république jël aussi di def ay visite de proximité jël suñu alal wàcce ko ci terrain bi dimbale askan wi nga xam ne si ne tey jii ñoom yitte woon nañ ko waaye tamit jàppale président de la république wax ak nit ñi wax ko programme wax programme président de la république ndax koor gi moom. fanweeri fan yiñ wara wor inshallah duñu incha noppal danañ joxe ay sucre score danañ joxe ay tandarma danañ yobbu ay ndogu danañ dimbalé ñepp ñi nga xam ne si ne ji yitte won nañ ko danañ siyaare ji kilifa diiné yi danañ dox ak mbokk ndax tamit wër yi moko laaj. je m'appelle Ibrahima Sall responsable politique APR à euh, Touba derrière son excellence euh, l'ambassadeur itinérant monsieur paté Diakhaté bon aujourd'hui euh, comme je l'ai dit son excellence l'ambassadeur itinérant paté Diakhaté sous son autorité. Il a initié donc une rencontre de toute la jeunesse après ce département, de Mbaké au niveau de sa permanence. Euh, L'ordre du jour de cette réunion était d'une importance euh, particulière dans la mesure où nous nous assemblons vers des outils électoraux qui sont d'une importance capitale pour notre pays. Parce que la tranquillité et la paix sociale dépendra en grande partie des résultats qui sortiront donc, euh, des urnes au soir du 30 juillet 2017. Euh, euh, pour, cela, euh, cette jeunesse du département de Mbaké donc s'est réunie aujourd'hui pour prendre donc les choses en main. Pour que dans l'unité, dans la cohésion et dans l'engagement et dans la mobilisation sociale, derrière son excellence Patrick que le département de Mbaké au soir du 30 juillet 2017 tombera donc dans la coalition de Benoît Et les élections du 30 juillet 2017, euh, nous sommes dans la phase préparatoire. Et dans cette phase préparatoire, nous sommes dans la deuxième phase. Cette deuxième phase euh, est d'encadrer les militants et tous les responsables à aller retirer donc les cartes d'électeurs qui sont en souffrance au, niveau donc de la sous-préfecture d'Andam. Donc, à travers donc, ces micros, nous lançons un appel à tous les militants d'aller retirer leurs carte électeurs pour que le jour J, tout le monde aille voter en tranquillité, en paix, pour, la pour le compte de la coalition Bernard Bokoyakar. Et nous espérons que le 30 juillet 2017 soit donc, le premier tour pour les élections présidentielles de 2019. Et nous nous rassurons de l'engagement des jeunes et de la venue de son Excellence M. Patrick qui n'a œuvré, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre donc, à la jeunesse du département de Hockey, faire des lances de toute formation politique, de les renforcer en moins et de rassembler tous les responsables de première heure et de seconde heure qui étaient mécontents et qui ne jouissaient d'aucune considération dans le, parti de, la paire. À ce moment où nous parlons, on peut dire que tout le département de Mbaké est acquis donc, pour le compte de son extension, M. Patrick qui travaille pour donner au président Macky Sall une majorité euh, écrasante à l'Assemblée nationale. Et cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale, euh, quelle que soit la liste que le président de la paire, le président de la coalition Benoît Okéakar nous présentera, en tout cas, les responsables qui s'engagent derrière son excellence approuve à 100% cette liste et donne mandat à tous les responsables de voter donc cette liste sans aucune considération, sans aucun, sans aucun commentaire. Parce que la liste, la liste que le président Maxal choisira on espère que cette liste, c'est la liste qui porte donc l'espoir de tout un département et que l'espoir de tout un département repose en grande partie entre les mains de son Excellence M. Paté Yahate, qui a un défi devant lui, mais que ce défi, c'est un défi mineur par rapport à, euh, à la grande mobilisation aux responsables, porteurs de voix, aux responsables jeunes et femmes qui jouissent d'une popularité et d'une légitimité populaire, donc à donner au président Macky Sall une victoire qu'il n'a jamais eu ici à Touba depuis, depuis les élections présidentielles de, 2012. Quelles sont les actions à mener lors du mois de Ramadan Bon, en perspective des élections législatives, nous avions dit tout à l'heure que c'est un processus et que parlant de ce processus, le mois de Ramadan est intercalaire dans la période pré-campagne et la période de la campagne électorale. Donc, durant cette phase, nous avons mis en œuvre un plan d'action, un plan d'action qui prendra en charge donc, des visites de proximité, des porte-à-porte, mais également des conférences débats sur les enjeux électoraux du département de Mbaké, du département de et également la sensibilisation, euh, des caravanes de sensibilisation pour rappeler et pour demander aux responsables et aux militants d'aller retirer leurs cartes, d'aller retirer les cartes. Donc, c'est un ensemble, un vaste programme que la zone après, derrière euh, son excellence Pati mettra en œuvre à travers tous les quartiers donc, du, département de Baké, plus particulièrement dans la ville centre de Toba, surtout dans la périphérie. Qu'est-ce que vous dites de l'opposition qui commence à gagner du terrain euh, Non, l'opposition ne gagne pas du terrain. L'opposition est, en train de perdre du terrain ici à Toba. Parce que euh, le meeting qu'ils ont tenu à Mbaké. Ils ont convoyé des cartes partout au Sénégal. Donc, c'est euh, une coalition. La coalition Manco Taro Sénégal, moi je l'appelle que c'est la coalition Manco au Sénégal. Parce que ah, la preuve, la preuve, l'espoir qu'ils nourrissaient à travers cette coalition, c'était le soutien de Khalifa alors que Khalifa Sall a quitté donc la coalition Manco pour aller sous sa propre bannière. Ici, dans le département d'Ambaké, Khalifa Sall ne pèse pas l'eau. Les autres parties ah, ah, où on espérait retenir certains ténors d'IPRS, donc ces ténors du commencent à quitter donc les rangs du pour rallier la paire. Hein, pour rallier la paire. Donc, euh, le dernier ralliement qui est, plus récent, c'est le maire Taïf, Maïtine que nous accueillons à bras ouverts dans le parti, dans le parti avec les autres maires du département. En tout cas, le département de Mbaké, la, coalition Beno Bokoyakar gagnera largement les élections au 30 juillet 2017. L'opposition ne gagnera pas ici. L'opposition est en train de perdre du terrain en de perdre Parce qu'ils ne peut pas trouver donc un consensus sur celui qui va diriger la liste nationale ou bien la liste départementale. Il y aura donc des frustrés, il y aura des départs, il y aura des mécontents.